Bonjour chers auditrices et auditeurs du studio Kalangu. Il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation Rukai Top Draman et Mariam Adey. Nous sommes très ravis de vous retrouver sur cette émission. Bonjour Mariam, comment ça va Ça va très bien Ruki et toi Ça va. Alors euh, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Mariam, comme d'habitude, nous débutons cette émission avec le flash d'information et comme invité aujourd'hui, nous aurons un entretien avec Sanima Gori dans lequel nous parlerons de son projet de long métrage documentaire dénommé Kwani Mémoire et Justice qui réécrit une partie de l'histoire coloniale du Niger. Et eh oui, Ruki, sans oublier les sports avec notre chroniqueur sportif du jour, Dilotti, offert par les femmes du studio Kalangu. On finira avec les messages de nos auditeurs. L'édition est tirée par Moussa Hassan et la technique. nous avons Issa On débute à cette émission avec le flash d'informations présenté par Nafisa Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Kaya, bonjour Mariam. Bonjour Nafisa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'informations. La chargée d'affaires de l'ambassade du Niger à Cotonou a été convoquée hier par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin, Shogun Bakari. Il s'est agi pour le ministre béninois de protester contre les accusations formulées par le général Abdurrahman Chani, chef de l'État du Niger, qui alléguait le 25 décembre dernier dans une interview que le Bénin serait impliqué dans des manœuvres de déstabilisation du Niger. Le chef de la diplomatie béninoise a réitéré l'attachement de son pays à la coopération fraternelle et au dialogue entre les deux nations et que le Bénin ne servira jamais de base arrière pour des actes de déstabilisation du Niger. La Confédération des États du Sahel a désormais son logo. Il a été officiellement validé par les ministres en charge de la communication des trois pays membres Mali, Burkina Faso et Niger. Entériné par le Collège des chefs d'État et présenté au président en exercice de l'AES, le général Assimi Goïta à la plateforme numérique de la Web TV a également été lancée pour renforcer l'unicité régionale et accroître la visibilité de cette alliance stratégique entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Enfin, ce 31 décembre, c'est la fête de la Saint-Sylvestre. Elle marque également le passage à la nouvelle année 2025. Un réveillon du jour de l'an ou encore réveillon du nouvel an est de coutume organisée dans tout le monde. Au Niger, c'est la, reine Salma Darani de Dosso qui a été retenue par la radio et télévision du Niger pour célébrer l'événement. Et c'est la fin de ce flash d'information. Bonne suite à vous. Merci, Merci vous en et fidèles auditeurs, comme annoncé en début de cette émission, de l'entretien du jour, le cinéaste Gori nous parle de son projet de long métrage documentaire dénommé Connie Mémoire et Justice. Mais avant, nous allons d'abord souffler en musique, à chers auditeurs. Je vous invite à écouter ces magnifiques morceaux de Maman Barca. On écoute. kanki kar a gaba ki ce an kware ki kai dan na ka zabi da kanka kar a gaba ka ce na shiga uku arme dadi arme dali arme dadi arme wahala arme da dadi arme dali Allah ka bani mace ta kirki armée wahala le mariage et d'où le mariage peut être aussi amer, affirme Maman Barka dans ce titre. L'artiste Maman peint dans ce morceau armé l'image positive du mariage et aussi son côté négatif tout en souhaitant avoir le bon partenaire. Nous espérons que vous avez vous ce moment passé avec nous sur ce morceau. da kwai soyayya kai mai gida rike matarka amma wata inda kwai soyayya arme daɗi arme ji dali arme daɗi arme wahala arme da daɗi arme ji dali Allah ka bani mace ta kirki dole arman da ba hujja ba dalili arme akwai irin na dubara arman da ba hujja ba dalili armen gida gara a yi shi yarinya ta gana ta da samu arme akwai na karhi da yaji arman da ba hujja ba dalili C'était Armé Dadi Armé Wahala de Chers auditeurs, de la première partie de l'entretien, le cinéaste Sani nous parle de son projet de film long métrage Koni, Mémoire et Justice, dans lequel il veut réécrire une partie de l'histoire coloniale du Niger, notamment la partie qui concerne la mission militaire française voulée et chanois. Oui, Sani entend rétablir les faits sur la mémoire collective du pays. Il explique son, au, micro de Alamin Ouachar. Monsieur Salimagori, bonjour. Vous êtes sur un projet de documentaire euh, qui parle de l'histoire coloniale du Niger. De quoi s'agit-il exactement Effectivement, je suis sur un projet de long métrage documentaire que j'appelle provisoirement Connu, Mémoire et Justice. Et Mémoire et Justice par rapport à notre histoire en 1899, quand la mission militaire voulait euh, chanoine est venue au Niger, la mission Afrique centrale de leur passage depuis Sansani Hausa jusqu'à leur sortie au lac Tchad, ils ont commis des exactions. Mais l'épicentre de ces exactions, où les exactions ont été les plus meurtrières, les plus horribles, c'est à Kony. Et Kony, à l'époque, c'était une très grande ville, avec euh, à peu près 20 000 habitants. Et Voudé a massacré plus de 80% de cette population Ceux qui se sont enfuis, ils ne sont pas revenus que des années plus tard. Ensuite, ils ont enlevé 700 femmes. Ils sont partis avec vers l'Est. Je voudrais m'appuyer sur cette bourg-là pour réécrire cette histoire-là, pour que nous puissions connaître cette histoire et en même temps demander, en tout cas à la France d'aujourd'hui, de nous restituer les œuvres qui ont été prises, parce que beaucoup de choses ont été pillées, même pas connues, sur toute la trajectoire de cette mission. Également reconnaître aussi qu'il y a eu des crimes qui ont été commis, même si à l'époque il n'y avait pas de loi qui les condamnait, et également aussi reconnaître que eh, l'histoire a été mal écrite. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle du drame de Dankori, parce que tout simplement il y a un colonel qui a été tué, alors que tous ces meurtres-là, ces personnes qui ont été tuées, des Nigériens, Sansani Hausa, plus de 200 habitants, à Jinju ils ont massacré, à Lugu, ils ont massacré beaucoup de gens, à Konni ils ont fait des horreurs, vous partez à Tibiri, ils ont fait des massacres, à Maradi, ça n'a pas eu lieu, vous partez à Tessawa, à Mejirgi, à Karankalbo, à Zender, jusqu'à leur arrivée au lac Tchad, ils ont fait des massacres. Mais quand on lit l'histoire qui est écrite dans nos écoles, qu'on enseigne à nos enfants, on ne parle que du drame de Donkol. Moi, j'ai décidé de faire ce film-là, dont je vais vous donner certainement des articulations, pour euh, aller en profondeur, confronter les faits, les archives qui sont produites par les Français eux-mêmes, et aussi des intellectuels qui sont neutres carrément, qui veulent chercher la vérité, qui ont écrit, et également des Nigériens dont les grands-parents ont été victimes, on a raconté, euh, je peux dire la tradition orale, des griots également. Je voudrais rassembler tout ça écrire un récit cinématographique pour amener nos populations à connaître leur histoire, surtout les jeunes qui sont aujourd'hui à l'école. Et à cette époque-là où nous cherchons à refonder notre pays, je pense que la première action à faire, c'est vraiment réécrire euh, notre histoire. Et je pense que le gouvernement a déjà mis en place un comité qui est chargé de réécrire certaines pages de notre histoire. Vous êtes à quel niveau de la préparation de ces films En 2014-2016, euh, il y a eu un projet d'un réalisateur anglais que j'ai coproduit. Il a fait un film qui s'appelle African Apocalypse. le film parle de façon sommaire du passage de cette mission-là. Et à cette occasion-là, également, beaucoup d'archives ont été en ma possession. Ensuite, grâce à ce film-là, nous avons déposé une plainte aux Nations Unies. Une plainte au nom d'un dispositif juridique qu'on appelle la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle, son objectif principal, c'est la réconciliation. Mais quand on échelonne un peu les objectifs, dans un premier temps, on veut la reconnaissance. Ceux qui ont commis des exactions là, parce que la justice transitionnelle permet de juger des faits qui ont été commis au moment où les lois n'existaient pas. Donc ces faits ont été commis en 1899. Effectivement, au nom de ce dispositif-là, nous avons déposé une plainte pour demander, un, à la France de reconnaître, deux, de réparer, trois, de nous restituer les œuvres qui ont été pillées, quatrièmement, éventuellement la justice. Et sans ça, il n'y aura pas cette réconciliation-là. Donc, euh, le 18 décembre, il y aura euh, une audition, en tout cas une visioconférence, qui fait partie de la première séquence de mon film, euh, où les faits vont être exposés. Déjà, une avocate qui a été prise, qui est sénégalaise, et un rapporteur des Nations Unies aussi qui est chargé de prendre des témoignages, de monter le dossier et de l'envoyer à la France pour que la France réagisse. Et moi, pendant ce temps-là, je fais ce film pour venir en appui, parce que les peuples français ne connaissent pas cette histoire. Les Français, ils connaissent l'histoire de l'esclavage, de commerce triangulaire. Les Français connaissent l'histoire des tirailleurs qui ont été envoyés euh, à la guerre mondiale en Indochine. Mais les Français ne connaissent pas en détail les exactions commises par cette mission-là, qui ont été longtemps insécrées. Parce qu'effectivement, la mission voulait Chanoine par rapport à toutes les missions coloniales. C'est la seule mission qui rendait compte directement au ministère de la guerre en France. Toutes les autres missions d'exploration rendent compte aux gouverneurs et aux autorités locales françaises. Donc c'est une mission, je ne peux pas dire secrète, mais c'est une mission qui avait d'autres choses qu'on n'ose pas dire. Et au nom de ces choses-là, on veut pas entrer dans les détails. Et moi, je, voudrais, au nom de ces dispositifs-là, parler en profondeur pour que l'histoire soit connue. Avant de continuer, nous allons encore faire une pause musicale. Ruki, tu nous proposes à quoi de la playlist Eh bien, Mariam, le prochain son que nous allons savourer est un featuring entre Rasgaz et la formation de, formation dit démocrate et Benji. Ça donne tout simplement Village Positif. mercy, mercy, mercy, mercy on a ladder, mercy. Peace and peace, Akajimu Yahi. Peace number one, Zender. Peace and peace, Akajimu Yahi. Peace and number Unenyame Zender. Master Bender, she the Razagas. Razagas, the Mugabi. Voilà, chers auditeurs, c'était là les titres Village à positif à chanter par Rasgaz et Benji, un morceau très dansant. Je te vois bouger par la rue. <laughs> Tout à fait, Mariam. Et j'avoue que j'aime bien cette chanson et j'espère que nos auditeurs et auditrices ont également bien bougé sur cette magnifique sonorité musicale. Voilà, chers auditeurs, dans la deuxième partie de notre entretien, Gori explique le processus de réalisation de son film, ses motivations et les difficultés qu'il rencontre. Toujours au micro de Alamin Washer. Monsieur Sanimagori, vous avez fait la documentation et les témoignages nécessaires à, la réalisation de ce film Pour le moment, euh, j'ai fait le repérage. J'ai euh, coordonné tous les intellectuels qui ont écrit sur cette histoire-là. Que ce soit docteur Farmou, que ce soit PhD. Il y a un monsieur qui s'appelle Hassan qui a fait une thèse du troisième cycle en France sur toutes les œuvres cinématographiques et littéraires qui ont été écrites sur cette mission, vous les j'ai aussi contacté certains producteurs, amis français, qui ne sont pas d'accord que l'histoire soit tue. Vous savez, c'est très difficile maintenant de chercher des financements à l'extérieur et de le trouver compte tenu de la situation du Niger. Mais je pense que c'est un projet qui concerne notre souveraineté, que l'État du Niger doit s'en approprier, quitte aussi à apporter du point de vue idéologique, pas pour formater le film, pas pour que ça soit un film de propagande, mais pour que ça puisse contribuer à porter cette voix officielle du Niger qui a officiellement déclaré euh, que nous allons réécrire notre histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où les gens n'ont pas la passion de lire, il n'y a pas mieux qu'un film, qu'un reportage pour amener la population à comprendre. Parce que c'est cela. Les Français sont partis, les autres sont partis. Il ne faut pas qu'ils reviennent et qu'ils nous trouvent là où ils nous ont laissés. Et pour qu'on ne soit pas là où ils nous ont laissés, il faut que, quand ils reviennent, ils savent que l'histoire qu'ils nous ont laissée, nous, en a réécrit notre histoire. Je pense que c'est vraiment une base fondamentale pour notre peuple de se dire que nous n'allons jamais revenir en arrière. Mais côté financement, nous sommes à la recherche du gouvernement. Côté technique, il n'y a pas de problème. L'équipe est prête. D'ailleurs, je vous dis, on commence le tournage, parce que c'est une petite séquence euh, qui aura lieu à un grand hôtel, une visioconférence, où il y a des intellectuels qui seront invités, des ressortissants des villages et villes qui ont été pillés, saccagés par M. Voulet-Chanon et c'est le point de départ de mon film. Quel est votre objectif à travers ce film documentaire Connu Mémoire et Justice Moi, mon objectif principal, pour moi, l'armée française a quitté les territoires nigérien en décembre 2023. Pour moi, elle était rentrée en janvier 1899. Donc, cette marge-là, qu'est-ce qui s'est passé Donc, mon film aura à parler des événements récents, en séquence pré-générique, pour montrer que ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la France. Nous, avons une histoire avec cette France-là, à cette armée-là, principalement. Ensuite, je me base sur trois dispositifs. Il y a Gina al un village où 80% de la population sont des descendants de ces pillages, de cette euh, déportation. Donc cette famille va revenir à Koni pour chercher ses racines, pour comprendre pourquoi ils sont là-bas. Ensuite, dans le film également, il y a toute la population des intellectuels de Kony qui sont autour de Dima de Kony, qui est le président de l'association des ressortissants de Kony à Niamey, qui est le porteur de cette déclaration aux Nations Unies dont je vous ai parlé. Il s'appelle Ibro Abdou. Donc lui, c'est pratiquement euh, le personnage principal de mon film. Celui qui va demander à tous les intellectuels nigériens, à tous ceux qui ont écrit sur cette histoire, de se retrouver à la cour du chef de Kony. Et nous allons mettre en place une cour à la place où les exactions ont été faites à cette cour-là seront invités tous les vieillards de la zone, des scolaires. Je compte réunir une vingtaine de, gens âgés pour représenter vraiment le patrimoine historique. La jeunesse, c'est-à-dire les scolaires qui doivent écouter leur histoire. En face, la cour du chef. Tout en bas, assis, c'est les intellectuels des gens qui connaissent cette histoire. Et tout autour, c'est la population qui est venue écouter. Et là, on va exposer le fait. Et c'est là où on va demander d'abord la reconnaissance, ensuite la réparation, Ensuite, la restitution des œuvres. Parce que vous savez qu'on parle de restitution des œuvres au Togo, au Bénin. Mais nous, on ne parle pas. Il n'y a pas que des masques. On n'en avait pas beaucoup. Il n'y a pas que des fétiches, non. Ils ont pris des œuvres d'art. Ils ont pris des choses. À Koni, ils ont trouvé Koni riche. Ils ont pillé tout. À Lougou, ils ont emporté beaucoup de choses. Ensuite, le troisième dispositif, c'est un étudiant en histoire. Il voudrait rassembler à partir des archives des récits populaires, arriver à une histoire unique. Et il est encadré par Jibou Hamani. Donc c'est l'ensemble de ces trois dispositifs-là qui vont faire le récit de mon film. Et je voudrais à la fin que les deux tombes de voulet Chanoine, qui ont été ouvertes en 1923 par euh, le gouverneur, le représentant de la France qui s'appelle Robert de la Vignette, parce que des suspicions circulent que Voulet et Chanoine n'ont pas été tués. Il a fait ouvrir les tombes et il n'y a rien. Et moi je vais à la place de ces tombes là que l'État du Niger fasse un mémorial au nom de toutes ces victimes. Pourquoi pas un musée prendre hommage à nos victimes. La France, elle dit que Voulet et Shannon, c'est des militaires qui ont été atteints d'une maladie qu'on appelle la soudanite. Et que ce qu'ils ont commis, on ne les a pas donné l'ordre de le commettre. Voulet et Shannon, ce n'étaient pas des militaires euh, qu'on ne connaît pas. C'est eux qui ont conquis le royaume aussi. C'est eux qui ont détruit le Burkina Faso. Et quand ils sont retournés en France, ils ont monté en grade. Donc les Français savent qui ils sont. La France ne les a pas donné les moyens la France leur a dit de vivre sur le pays et c'est la seule mission qui rencontre directement au, ministère de la guerre en France. Donc c'est une mission secrète, entre guillemets. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire qui parlera bien sûr de santé. De la région de Difa, plus précisément dans le département de Ngingimi, l'excision et la mutilation génitale féminine prennent de plus en plus de l'ampleur ou une autre forme, surtout ces derniers temps. Une situation très préoccupante et qui n'est pas sans conséquence pour la santé de la victime, explique Haché Boussani, major à la médecine de l'hôpital du district de Ngingimi, toujours au micro de Mena. A takaice dai shi dai kaciya na mata wannan gaskiya bai da wani amfani kawai kaman al'ada ce wanda akwai mutane wanda suke yi kaman kabiloli wanda suke yi wannan kaciya ta mata gaskiya bata da amfanin komi sai dai illa ma wanda take da kwa to illa kaga na farko kaciya an aka ce kaciya ka gani akwai abin da za a yanke ko jini ya zubo kenan in jini ya zuba wannan ba a sani ba a cikin gari ne za a yi ta kuma ba wani likita bane ba zai wannan kaciya kenan duk inda aka yanka jini zai zuba to jini nan yana zuba yana zuba in ya ki tsayawa ka gani yana iya karewa a jikin mutum kuma yana iya kaiwa har mace ta rasa rayuwanta yarinya tana iya rasa rayuwanta tunda jini in yake tsayawa kai ba wani likita bane ba ka san irin dubaran da zaka yi ba ka tsaye da jini kenan zai ta gudu shine ana iya samu hemorrhage har ya kai ga anemi kenan jini ya kare kuma hallo na biyu wannan abun da za a yi aiki da shi ko aska ko wuka ko reza ba a san bai aiki tana yawa yana da cuta a ciki ka gani kenan cutoti kala kala ne wanda ake ɗauka a saman aska ko reza ko wuka kenan kaga akwai tetanus tunda ita ma a cikin ƙasa ne take kaga ga akwai kamar su hepatit ciwon antana su kaman vih sida su wani ciwon sanyi duka ana iya ɗaukan su wannan a cikin askan na wanda aka yi amfani da ita kuma yanzu wannan kaman mace wanda aka ma kaciya in tana lakwal kenan tana iya rasa abin ga lakwal kinta ma kenan aka mata kaciyan nan aka yi kaciyan nan babu zancen a lakwal kuma hallo yana iya taba kwallowa kenan ka gani duk inda ta ga in ana ma wata za ta damu ya ta rika tsorata ya ta rika tuna wancan abin da aka mata a baya kenan wannan shi ma yana iya taba hankalinta kuma banda haka kaciyan nan aka yi yana rage ma mace sha'awa ka gani mace bata sha'awa ko kaɗan kenan wannan babban illa ne kuma hallo wajen saduwa ma hallo ciwo za ta rika yi. akwai ciwo sosai kuma har wajen yin al'ada an tana al'ada tana iya yin al'ada mai ciwo irin mai zahin nan duka wannan kaga illolin wannan kaciyan ne to yanzu wani kira za ku yi wa wannan kabilu musamman da ke yin waɗannan ɗabi'u ne a nan garin gegime misali e gaskiya kiran da zan ma kabilu wanda suke wannan kaciya na mata ko da yaushe mu muna waye musu da kai muna so su gane ka san aka ce al'ada tana da wuyan bari amma dai da kaɗan kaɗan ana waye kai kenan za su gane su da kansu he su ga illan shi ana tahiya ana tahiya su da kansu za su ga illan shi yanzu da jiya wanda suke cikin gari kaga in ka lura sun fara rage ba irin na da bane ba deja su sun gane ko da yaushe ana ta wayewa kai kenan su ma wa'annan wanda suka ji wannan sakon kenan akwai yan uwa wanda suke kauye kenan su ma suna iya meka wannan sakon ga dangi wanda suke kauye a kula a kiyaye sosai wannan illa gare shi ba karamar illa ba Voilà, chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, écoutez encore de la bonne musique en nigérien, rien que pour vous. On vous laisse kiffer le son Yamayamo de l'artiste Barakina. So, Barakina bawan Allah, I aino legit, sarking. I aino sabo. bebe a I aino ganjo, kondanga bisi bakakau, asu bakakau, aine megabe si bakakau asibakakau nyezo mefala gabagaro agabagaro aine mefala gabagaro agabagaro mm, yama yama iga wo iga te asite isina isama nyezo yama yama aiga ki isama ka irkoi domo na goke no yama yama no mbani ga te yama yama no nisite yama yama no yama yama ay gabay masalam hale gadan ay gabay masalam fonda ga ku fonda fo gajine kini ma ku so bay gajine ra ne se bane madi bebe ano ne se bane madi anka er ko bane sibi madi jire ga ba ay mono ne gadi ra jobba kware bene bi tik tik iga kar iga kam prigi kan prigi jire ga ku iga kai tak tak tak kade da loka choto kak kak iga di mai mayo sara puli ne iga wani body puli ne iga wani sobi puli ne iga tunga bi se baka ba bau asu baka bau ai ne me bi se baka bau asu baka ba bau nyezo me fala ga bagara aga bagara ai ne me fala ga bagara aga bagara mm yama yama diga wowi ga te asite isina isama yezo yama yama ai ki isama ka ir koy na go yama yama na bani ga yama yama no nisite yama yama na sinno irkwe sinno tarino ya nigga te ai bon tarino Ay fundo nigga wow yamo yamo yamo fa hmm. har ya nigga ki ay bon kai bay. bai tarion ai bon kai si bai ine mayo barga du gel. mate yamo yamo fa jam gabi se bakakau asibakakau aine me gabi se bakakau asuba kakau nyezo me fala gabagaro agabagaro aine me fala gabagaro agabagaro yama yama iga wo iga te asute isuna isuma nyezo yama yama aiga ki isuma ka irkoi domo na go yama yama no bani ga yama yama no nisite yama yama no c'était eh, eh, Yam Yamo de Barakina, donc à travers sa parfaite maîtrise du rap, de l'afro-trap, trap hausa et l'afro-beat. Barakina est l'un des artistes urbains les plus célèbres du Niger. Ruki, à présent, place euh, au reportage à région qui nous amène dans la région de Tilaberi, plus précisément à Baleyara. Et eh oui, comme plusieurs autres produits alimentaires, l'ail est aussi cultivé par les agriculteurs de la zone de Valayara, région de Tilaberi. Selon Fatimou Kaila, âgée d'une quarantaine d'années, chaque saison, elle produit plus de 10 sacs d'ail. Suivez ses explications au micro de Zainab Abdou. aidi ni jardin wora ni na dumar yanda ni nigi ke sai ifo nun duma tafarnu ne duma bala wai ne da tafarnu wawo man no ni dudumo ai duba ba ni bangu da zaga yau na kir bai gidan ni nigi ke sai da sai mu tikin nun na ce da mu kan bure gunwa ni ga fifiri ni mu kan kinga albasan da sa ni mu gusi zo ya so ni mu tisanin ganda ni mu da ne zo mu fatta ni da labe ni fo ni mu nim hangandi sai ga han kala kala mu fatta ni mu nim hangandi jibi ka jibi hin zanin gan hangandi kala mu ta jibi gu kala mu kogu ni ma fati ga fani tirsa ni da zamu ganda gu sai bala wai ne ki du sa kin kai du sa kin zaga a teri bin dal basa ne man tin man te kam gadi ni hangen hali ga dagu kadina plan show tayen din te na site kadim na ko karu in ti zama wai guri zigan buti musta mu zama mu furaya ni man dogo kalam ko gudun da saka ya da furaya a site a gicire ma yo kayim ta kargi windi ko ko palawo boy wai boy wadan zugo da fallanga kayim di hino boy hangen di fillan boy hano da da he ma hangen di amma wallahi du hakata sa ku wai sa man na te mola kun gudun ne zongi hin za he ma da zongi wai ku zongi ta shi ne ga nera igo ma kanin fa ma ikin ga ne na ta kai kai fuya inda wallahi ga agdon duma lal ma wallahi gog sabu fatta goyowo nina tubuno wal inya ganyi ne sambu inya mun samun kaiga dole na kriwo dona nungo bin har gono amma haba bayim tabi digan hangani mun sai hangare karciri dibirji din hangare da ah, agta gu fusnogo ag londono amsara woda bin ba jina te sara ciro ni gin faman de sama tikin no gin ciro ni tafarnuwa ni gin ganda dinin fa ni gin ciro dai saka rabi ni gwanda ni man fa bolim dan bigim dan ciri kan sai sayabo gibihinka ni man hangandi kala mi yesi to wani wo ba atajiri sara amma nim da hangare hangare be den haya abambate gumo ana kuta lokaci ida a agsara aga fumbu hanga don london da me amma kiriwo masar kusti ban wale tafarnuwa wo kan ni duma ai aidi ni sind forage ni sind pompe kuma cikin no go gate ga tafarnuwa wo har yacin da har yacin mun tar kam ne go hangandi nan go mo kendi a to ne kai ta fuhin fuhin zanta gane ai ko do har ka ga ni kiro kai malati kai sinin ai sinin mun tar ai ba da don da sinin mun tar to ken fono ni to nan dirin yezo bare do kan go gor kan mine inga se goy kutte su kan bugoi da jardin goite ken fono ni to nan bare bare ya ma ga ba kuma kai ni mu kai ni mu jini kun Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. C'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassoumi Grouza. Bonjour Grouza. Bonjour qui bonjour Myriam. Bonjour Grouza. Bonjour. Alors la Super Ligue du Niger a repris après une mini trêve pour permettre à la sélection nationale à prime de, de disputer les éliminatoires du champ 2024. Oui, la septième journée a débuté le samedi 28 décembre 2024 avec le match sale AS Police victoire des policiers sur le score d'un but à zéro. Victoire de l'espoir de Zender 2 à 0 devant Olympique de Niamey. Aujourd'hui, mardi 31 décembre 2025, il aura la rencontre AS Garde nationale Wombe, LFC Irana. Demain, mercredi 1er janvier 2025, euh, AS Douane Renaissance, AS Université, AS Fan. Au programme du jeudi 2 décembre 2025, nous aurons AS Nigelec USGN. Gourouza, nous allons parler à présent de badminton euh, qui a tenu son championnat national. Oui, c'est un championnat couplé à un Open qui a vu la participation de huit régions du pays et des pays euh, voisins. Abdoulaye Hassan, le président de la Fédération nationale de badminton, nous fait la synthèse de l'événement. Hier, nous avons pu clôturer notre championnat, un championnat national de badminton qui a été couplé à un Open. Mais je dois rappeler que ce championnat a vu la participation de tous les athlètes, du moins des athlètes de toutes les régions contre notre pays. Et également, euh, durant trois jours, les joueurs se sont affrontés dans un esprit fair play. Je disais tantôt que ça a été couplé à un Open. Cette activité a également vu la participation des athlètes qui sont venus des pays voisins et même de la Chine, je veux dire. Vous comprenez avec moi que c'est euh, une avancée notoire, surtout dans euh, l'évolution de notre discipline. Et hier, on avait également bénéficié du soutien vraiment les autorités sportives, le représentant du ministre était là. Nous avons tous les responsables de notre CNO, le comité national olympique qui était là aussi pour appuyer. Et il y avait également des partenaires qui ont bien voulu soutenir cette discipline. Je le rappelle parce que euh, ce n'est pas tout le temps qu'on a la chance quand même d'avoir la présence ou le soutien quand même de ceux qui sont censés, n'est-ce pas, accompagner le sport en général. Oui, euh, Président, on sait que l'année tire à sa fin. On sait que vous avez mené beaucoup d'activités euh, l'année 2024. Alors, quel bilan faites-vous de l'année 2024 Donc, je dois d'abord dire que au cours de cette année 2000, ça a été vraiment une année très marquante, n'est-ce pas dans l'histoire de notre fédération, parce que cette année a vu le renouvellement du bureau national de la fédération, dont j'ai eu la chance euh, d'être reconduit mon poste de président, c'était le 26 octobre 2024. Au cours de cette euh, même année, euh, il faut également noter la participation de notre pays à des compétitions internationales. Ils étaient tout récemment au Burkina. Également, il y a eu des formations de coaching également qu'on a eu à organiser. Nous avons eu à organiser également, dans le cadre d'un programme qu'on appelle le Shuttle Time, la formation des enseignants nous avons fait la formation des formateurs également. Et également, nous avons eu la chance au cours de cette même année d'avoir un de nos coachs qui a fait le déplacement jusqu'au Cameroun pour aller faire le niveau 1. Et ce coach a eu la chance de passer avec succès l'examen. Donc nous avons actuellement un coach de plus de niveau 1, un coach international nigérien, c'est même une nigérienne d'ailleurs. Et je pense que c'est vraiment c'est une fierté pour notre c'est une fierté pour notre pays. Voilà un peu en résumé quelques actions qui ne sont pas exhaustives hein, que je viens de, retracer. L'objectif c'est d'abord euh, vulgariser, faire la promotion de masse, faire en sorte qu'au niveau de toutes les régions que la discipline puisse être pratiquée. Et là aussi, il faut des moyens. Parce que là aussi, c'est des défis. Hein. En, termes d'infrastructure, le Niger fait partie des pays qui sont moins nantis, par exemple. Et nous, notre sport, c'est une discipline euh, qui a des exigences. C'est une discipline qui doit se pratiquer en salle, dans les normes. C'est vrai a ce qu'on appelle le air badminton, c'est fait en plein air. Mais euh, l'idéal voulait qu'on soit, n'est-ce pas, dans une salle à l'abri de l'air, à l'abri du vent, parce qu'on joue avec un volant qui est très sensible au vent. Donc, nous n'avons pas assez d'infrastructures adaptées pour la pratique de cette discipline. Et donc, le cri de cœur que nous lançons, que je lance à travers ce micro, c'est vraiment euh, de demander à nos autorités compétentes de redoubler d'efforts pour qu'au niveau de chaque région, qu'on puisse avoir des gymnases voilà, c'était là le président Abdoulaye Hassan, président de la Fédération nigérienne de badminton. Voilà pour le sport euh, de 2024. Merci bien, Grousman. Bye bye. Et Mariam, nous allons enchaîner avec le portrait du jour. Aujourd'hui, la rubrique portrait nous amène à la découverte de Faisal Ousmane, un jeune conducteur de véhicules de transport de type Range Rover à Il satisfait ses besoins dans ce métier qu'il a embrassé depuis son enfance. Et actuellement, il exerce sur l'axe Niamey-Zarmaganda où, il où il dessert les villages environnants à la capitale. Son portrait avec Oumu Oumarou. faisal usman amantikal furtadi kan gwanda jiri waran kacin dihinka kwara kan ne kone beri kwara borno karma a wani kwaminora faisal za a gwanda jiri wai da dandi na go lora gana songo irme tino ga faisal amantikala lora funko lora kan ne londor ver non kaga sambu nyamai ga kwai kauye cindaira fahaman diyan ne ya kan faisal tirse madakana goyo sintinda motsina na fo londor ver ay go koy chena gar muganda go koy jilmal go koy kasayan kula ay ko da danga ya har kulo ba ko maka no har kula ko nan go kay ay ko de no jirgu ne akai go sofia tarara wala mota de ne gan kala en dondo wala magara ay mon to ba jiru ka go mot ay di gan gan kali ne dondo nan dai wani londor ver de ne sin mai chala go no ay mon bal ba go furte jowo goyo ka go gatera agoga du hankan na muradu feri diyara fesal a mambaiga cedan lokol murado karan gini kati a maciya lor funko a ramonu hunkuna a gogadu ginga muradu yan feri non kan fesal a gowa gindidan a cer furta gaido imadu goy kite imadu ga tangam da kambo konu gorai wallahi sandai kunna sira kaddogonay wallahi gomne dai tes ko ke bokul bogne bo am tesar e gomne dai no halkan kun may goy murade fere mos kaka boku kubo ne bo te saf fu gore o furki na gore bore ngore ni gane te so mora hal ka on kuni go mota ga koto ay e bine du go albarka ken kai taise wala bor mu ka go wa bisa wallahi dan furki no borgte borgo dibo bore ngon kadai zai tare su yan kalfurk tare mo wadi wa manti fu gore o furki na bot kan ne ngi saira beren wal babun sa beren ni la do deno borte furki dubo abina bang sar wargamo Merci Oumou Morou pour ces portraits, chers auditeurs et auditrices. Faisons une autre balade avec le son Amana de Aldradik. Goga Music, Leile, Nicole Beat, Onkona Zari Berino, Borokul Matin Mafarha, Onkona Zari Berino. Et puis, on va entamer le loti, la rubrique loti du jour. Et pour faire euh, leurs courses ménagères et autres, certaines mères endorment leurs enfants et les laissent dans la maison fermée sans surveillance. L'équipe femme du studio Kalangu attire l'attention de ces mères sur les risques de leur comportement. On les écoute. koi beri safi aygayge faynin ni izo hayye ngodi ke koyke baado matanigo dai dayno wallahi umma alhamdulillahi aygir koy sabu wallahi irgayde cari kai irdu gidi ce fonda irdugdi ya dinno mata matani izo a koy sabu manno ni nan agofu a koy sabu walla mat kai ci ni ago agofu ya ai gana ni bai bagum digi wendinde zanka goni bandarawo aga ta bandino da bog babagum koy haba oh. sai ne dirgana fuya wallahi ni cim ya ga babo no ne dirgana babo babo mbono kad ai habo ago koi fati yedo ah okay ya dinga ni gwanda barkan gazan ka gayi no ai wala sin da umma ai nan ago jirbi no ai mai fatta son halai wasu gudu koi magaga amantun gina mate inga hinne ridwan kan sin da ba jiri hinka hey umma ni lakal kanandi ai ni pokto dabu kala borin da hala halai ga fatta ya dinga hai kul no duwa bo kul monos koi ga dogandi kufa amtun girbi sadin da nai ga gai gaifo gine dai ai mu koi fuyan ai si bagai da mantakai dinin boda ai si bagai ta yagodo nai kabai dai na gina ta ta yagodo ai mai fonda di inna lillahi wa inna ilaihi raji'un safi ni gonda bon mo safi nya fo mino ni wowo kawai umma ni gin lakal tunan di kan sai ai dirgari da wannan fuyan ya ci ne asti hai kulme ai don gate ai gidir nan ai mai koyante koyin wata kulu da yeka ai gaga fuyan ago girbi mun ci son nuwa ga tunumi subhanallah wallahi ni wo ni dai katin ya follo kuma follo kuma ira kan ai mun bai gaji kokkiya ni ma dabu inga hinne ni ka habu ni fanda no dini ni sibai ka ga hin du masal bobu nodin windora kan ne na nga hinne irkoy beri umma ni lakkal kanandi mantan dunya ban yanno bo isi gan dunya kun kunai si koy non kul habu dene ka kalta yak do kay kabe koy ne mantun kun no tisintina kan dirga dirgana ya dinga ifo no gi hinguduwa aga tun hinno no jigbi hay kun no si hinguduwa koy ne mo amsu dugu tun jigbi se sonda ay gban ai mi yan safi bor sizan kana nga hinne windira sokofa ago girbi to da kwai ga tunu fa ha bor kulsinu kan gamo da kabo ridwan ga hinga kwai ga tunu girbi am kan da heni hayadin mo ga hinga bollon do marai hey umma magayen matkin gana ga tega magai manti ana sagai zai bo kanin mil ba hay kain fogi la tunan di hay kunno sidwa aga hen dai nam dangai yan kan ga gine dini heni bo badin ki gite diman di bor kul ila kalaino ga furkarra wadi ma ga sine ne nise bollon dogo hin ga koy ga mare ya din mono ai si ga ngware nise ni ize ga hin ga koy ga sambo haifo ga koy ginga bon dumbu wala mun ga bon mare ila la ga tibun bo gobar fo mas koy ga tunwin dora ga subhanallah ifo tuwo ne koy ni sigara ga boni guna aga hinga koy du ni ga zaidi ni kan ga da kenda am koy ga zoi feri zo binde ni di aga hinga dangi tunan tunandi ni sewindora wala mo am zamu fo sambu am koy ginga bon marai am koy ginga bon dumbu wala am koy gidu zar zar, zar fo ginga bon kote ginga fun saro gai ni di wone yon kulgi hin gawi zankano asibai kan haya ga marai akwai kan ara daino kai subhanallahi subhanallahi di boni it koy dai mir wada wane umma wallahi dingo wane yin ce sai no nim dugai lakal tunan dai mahambur it koy sai nan awasa ai si haye kulki ai mdugin hamburan disi sarwo borsibai nan kan hare aga fatta borsi ku izo amanto ba girenka aga ga koy kan haifo yara ha dinga ba ni kwara ko yanno ni siba ni magere ano ni gorga sinaisi wol ni musambu goiza ni ma no ase ama gayi ni si wallahi umma gicim ai wai mun kai gila sabu wani yankulci ai wai diyan waga da yamzur koi gai fo gine dai sadin da ai mun koifu son waka yi lakale kul fu caga hai kul ne ba son ka dai ai mun koifu ai mun koi duwa gar ai magar mu ago ba ni samai hai kul man duwa to insha Allah ni gagar ba ni samai mu wasi dai ga koifu irkoi dai mana ni magar ba ni samai amin walla amin taxi taxi les filles pour vos conseils, astuces, toujours très utiles. L'émission Le Niger sur c'est aussi de la culture linguistique. Hmm. Et eh oui, Mariam, et aujourd'hui, on va découvrir le mot famille en Hausa avec Maman Ada. Bonjour, Maman Ada. Alhamdulillah. Et eh, batu yau ban taɓa jin wato kalma da nake ganta da muhimmanci ba kamar wannan ta fami mhm. wato ta iyali saboda wannan rayuwa ta mu kaf tana dogaro ne da iyali to kuma iyali idan ka ce iyali ya kunshi mutane da ke ciki misali zan ɗauka sabon eh, iyali ko kuma tsohon iyali mhm. menene iyali wato idan mace ta yi aure ko namiji ya yi aure wannan su biyu namiji da matar iyali ne amma idan sun ka haihu za su karuwa mhm. sannan kuma a ci gaba da haihuwa a samu ɗa ko a samu ɗiya wannan wannan iyali kenan iyali ya karu sannan cikin waɗannan iyalai idan ɗan ko ɗiyar ta yi aure waɗannan tsohi su sa samu jika ko jikanya mhm. kenan har yanzu dai iyalin suna na ciki idan kuma wannan jika shi ma ya samu ya yi auren ya samu ‘ya'ya kenan su waɗannan sun zama eh, kakanni mhm. kenan kaka ko kaka ko eh, kaka mace ko kaka namiji wato iyali ne to kuma inda take da ɗan bambanci kaɗan amma kuma iyali ne amma su kuma ba su cikin eh, iyali wa tsaye wato su ne kawuna akwai kawu mace akwai kawu namiji su wannan na kusan ma'aifa ne mhm. kenan in ka duba wato maganar iyali tana da muhimmancin gaske saboda ita ce take tabbatar da rayuwar dan adam musamman ma a kasashenmu na afirka idan ka ce iyali to iyali abu ne mai karfi abu ne mai muhimmanci don haka nake ganin yana da kyau mu rike dangon zumunci kuma mu kafa iyalanmu cikin hanya ta gari. Mm. To mun gode sosai mama Ada. Voilà, chers auditeurs, ils sont nombreux, les auditeurs du studio Kalangu, à réagir sur le programme que nous leur proposons. On les écoute. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sunana abu nasir gaskiya dai studio kalangu vraiment mu muna yaba aikinsu paske suna sensibilizan mutane sama ayyuka yau da kullum suna ba da kuma labari ko da yaushe gaskiya dai alhamdulillah ina gaida me ake ca mutanen duci surtu wa'anga ku la presse vraiment alhamdulillah mun gode kokarin da kuke nan gaba da muna gaida ku sunana jamilu bon ni ra'ayi na akai gaskiya suna birge ni kwa suke yanayin kama yadda ake kawo labarai kuma da langi da yawa ana fassara abubuwa dama wajen in baka gane ta wani wajen ba an yi ta wani waje kana ba. to ni gaba ɗaya al'umma dogon dutse ina gaida kowa da kowa da wanda ya sani da wanda ban sani ba da na kusa da ni da na nesa da ni kowa yana bashi dubin gaisuwa da fata alheri sunana abdullahi daji ma'aikacin wurin jihar del cokilan na dan sauraron shirye-shiryen su ra'ayi ra'ayina shine shirye-shiryen nasu muna fatan su kara shirin da shi su tumna sauran shirye-shirye musamman matasa musamman taimakawa mata to mu ra'ayin surutu sama matasa muke son a uh, dan ƙara shirin da shirye-shiryen surutu matasa mai allakul tun da mun gani yanzu matasa mai allakul masu ranar lalata sun shiga wani harkoki wanda bai kamata ba kinan ta hanyar radio muke son a samu shirye-shiryen na za a yi uh, a sensibilizin su sutu matasa allakul ma mun sun shiga shaye-shaye kinan shi ma a travers radio studio kalangu muna son a samu wani shiri wanda za a yi wanda matasa za su gane bai kamata ba muna gaida duka ma'aikatan wani jihar del da sauran mu da ke nan ayarka da sauran yan fada nan tare da mu to india fa mi e aminu aminu ge te bi aliyo bi aliyo ali to joni ni mi heto mi ha sidiyo kalangu ibirgo ya mi no mi sada saurari, sabon shirye-shiryen mu da zamunan ɗaura joni ni mi hinna duñaji gariji hoɗum hinnaɓe on nani aye allah ɓeydane siwtiri gani jam aye imen ɗo jaha dogon dutse men goni imen kinna laamiɗo dogon dutse allah ɓeydanamen siwtiri jam aye wo woodi duñaje to nder ladde amen ɗum kiyayo ga allah zama duñaje ndu wayle aye ɗum hoota dedi nono ɗum wontir hottun ɗum hinna bakin ɗum anda no ɗum siwtori dow leydi mi yetti allah ɗo allah hokka vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. l'émission de ce mardi 31 décembre 2024. On s'est dit à demain avec un nouveau duo, bien sûr. obsédé en compagnie de Marie Madé et Ruketo Abdraman. L'édition a été assurée par Moussa Hassan et la technique par Issa Lawali. Bye bye et on vous souhaite à tous euh, bonne et heureuse année à vous.